Donc le plus rapide, Comment appelle-t-on l'endroit où l'on se cache pour voter Pour choisir un bulletin de vote Comment on l'appelle l'endroit Oui C'est eh, l'isoloir. Écoutez bien la question, écoutez bien la question. Hein? Écoutez, Ramatoulaye, écoutez la question. Bah, on écoute. est né en 2002. Pouvait-elle voter le 24 février 2019 Pouvait-elle voter le 24 février 2019 Oui. Non. Oui, c'est moi. qui vois. Très bien. Qui recueille les enveloppes portant les bulletins de vote. Livre, très bien. Minimum pour être électeur au Sénégal. Oui. 18 ans, très bien. dernière question dernière c'est pluriel mën na que deux mën na que trois. national a le pouvoir de légiférer des lois c'est-à-dire de créer des lois quelle institution nationale a le pouvoir oui. l'Assemblée nationale.

America. bonsoir. Actuellement, nous sommes à l'école 4 pour la grande finale de, de en Herbe qui s'est opposée entre l'école 4 et l'école 1. Actuellement, on, est, on, est, fait face à nos deux capitaines qui sont Fallou et Tierno. Fallou, comment tu vas Ça va. Tu es content Oui. Qu'est-ce que tu peux dire Féliciter mes joueurs. Et non maître Et qu'est-ce que tu vas dire l'école Je vous félicite. Je vous félicite. Voilà, merci beaucoup. Tiens, ah, comment tu vas Sois bien. Qu'est-ce que tu as On dirait que tu as peur là. Non. Qu'est-ce que tu peux dire à l'école N'ayez pas peur, il faut parler. C'est pas grave, c'est la victoire comme ça, et bien c'est la défaite, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux dire de l'école je, je, remercie les maîtres, et directeurs et les élèves. Je, remercie. Je vous dis merci. Et ça va. wala Fallou Fallou ñu def tuuti ci wolof léegi yow lan ngay mën a wax sa école ak séminaire bi noo ko gisee. waaye tamit suñ si dee sama voilà léegi yow Fallou yow tamit lan Thierno lan ngay wax yow tamit sa dernier kàddu. maa ngi félicité sama élève ñu ma doon zone bi. dem jàkkoonte xale yi nga xam ci ñoom ñooy def finalu match de football bi. ekol Kat, ekol কি bi কি bi dégguma Walegi taxawal kaay nii taxawal ni legi yow kan kan Islam. kan nga faral. école 1. moom mooy gagné. waaw. waaw baax ekol kan 1.

suñu animatrice di? par le par l'équipe de Nourou Islam. Le ballon a récupéré par le joueur di Nourou Islam e le ballon est risolto. nak bal bi pour kaji ko allo malal waaw gol wi teg na bi kadi nako dégager na bi mu kajee bal bi koufra franc finalement il a été tiré par euh, ana kooku dohol tele dohol Ousmane dohol Ousmane koufra franc Ousmane allo waaw allo Ousmane allo ñoom mom ko xama bi coup franc bi ki ñoko mom école 4 école 4 oui école 1 ah école 1 li ndaw dafa bari voilà école 1 moom moo teg Sadio Mané moo teg bal bi Sadio ba tey wala numéro 10 mais Allah waaw Sadio Mané ni muy dóore bal neex na ma Sadio Mané mais Allah tey ñu ngi stade ban directement ñu ngi stade euh, Arena Arena bu nekk fële euh, Angleterre acca kon Arena Tour voilà ñu xool ko franc bi waaw ñu xool ko franc bi euh, finalement arbitre qu'est-ce qui se passe Carton rouge. Non, non. Oui, carton rouge il a. Non, non, avertissement. Ah, ok, avertissement, carton rouge. en activité para et périscolaire ci est Avec euh, final football il s'est trouvé que Géoul 2 et Géoul 4 nous final en bon football 1 contre l'Islam. 4. Ah, remporté la finale génie en RBB euh, sur Géoul. Euh, kenn ku nekk gis na ni mu terminé euh, Géoul 1 certainement a jël victoire mais dans de toutes les façons Géoul a gagné Pour gagner, il a représenté Géoul, l'équipe de Géoul, nga équipe école bi mais équipe nga pour finale départementale bi yaa leen fay représenté kon géwul yëpp ñoo war a mobiliser wu. liñ ci amoon mooy boole xale yi xale yi divertiru ak ñu développer également le génie au niveau de de de de le talent au niveau des des gosses ñu mën a football ak ñi nga xam ne xarañ nañ parce que question yi ñu doon posé génie en herbe il faut nga am culture générale bu baax pour nga mën cee mën cee génn kon euh, ce qui veut dire que ne euh, du woon lu tuuti daal. tey école moo xewle woon mais c'est le sport qui a gagné. merci merci beaucoup.